l'absence de euh, l'absent le plus présent parce qu'on parle euh, effectivement de la question des candidatures quand on a kan mhm. donc Ousmane Sonko n'était pas de la partie mais est-ce que réellement euh, dialogue bi nous en tout cas à l'encontre de ses intérêts ouais, mais pourquoi se focaliser ça sur Ousmane Sonko parce qu'il y a d'autres qui ont beaucoup de dialogue peut-être de Disney seni intérêt qui ont nous co euh, euh, boile ont nous mm. mais le cas de Ousmane Sonko est à mon avis différent et euh, assez voire euh, compliqué mais d'ouben l'outar birum yon nous d'abord mais mbirum yon bobu régler gounyo à 100% l'agneau réglé à 100% t'im birum yon bobu mon tach ben mom

Euh, euh, par exemple dernier procès bi nga xamee ni condamnation jusqu'à présent il n'y a pas eu leneen lu teggi pour les condamnations appel yi homme qui défend ça muy euh, Adji Sarr ak avec Khady Ndiaye waxaguñu ci kañ la jëm est-ce que dafa am ñuy négocier ci est-ce que dafa am yenn ci ay détails yu ñuy tout ça bon on peut pas le dire mais gis nga mbirum dialogue bi c'est vrai que tubaab da naan lu fépp foo xamee ni eh, ña nga fay waxtaan te fekkewuma ko lañ fay waxtaanee man sama yoon waru cee mën a nekk. peut-être que nag lañ cay waxtaanee mën na ma dal. c'est-à-dire que li ñuy waxtaan ci biir dialogue bi wala accord yi nga xamee ni am nañ ko recommandations yi nga xamee ni am nañ ko est-ce que ces recommandations vont se limiter à ceux qui ont participé au dialogue mais wala mën na laal tamit ñeneen parce que am na ay recommandations yoo xamee ni mais du yam ci. Petite élection présidentielle 2024 si on doit modifier par exemple le code électoral ça veut dire que dans 10 ans ou dans 5 ans ou dans peut-être une situation mais parce que code électoral bu a ni une euh, modification wala euh, dialogue mais c'est pas que impact c'est tout de suite ici et maintenant que ça ne concerne que mhm. deux ou trois personnes surtout ñu jëm ci élection présidentielle mais ça peut concerner dans l'avenir d'autres personnes euh, mhm. peut-être que bokkuñu sax ça c'est élection peut-être que xamuñu sax dinañ mës une euh, élection présidentielle législative ou l'élection élection euh, yeneen xam par exemple ben point boo ne ni ni ñu sur le bulletin unique mhm. ça va pas se limiter à cette présidentielle 2024 dañ est testé, bu dee mais peut-être que ultérieurement, à partir de, de ce moment-là, on ne mm-hmm. va utiliser que le bulletin unique. Financièrement, peut-être y a un impact peut-être que la nga un dugal ci xaalis pour faire ay bulletin dina mm-hmm. ak donc euh, pour moi le dialogue c'est bien. Nous mm-hmm. fa une position parce que la preuve ni fa Euh, moi j'aime bien reprendre que tu mel ni Cheikh Bamba euh, demu fa euh, comme on dit demu pour nous euh, du genre benn oui bi demu fa ci compromission mhm. euh, dafa dem euh, peut-être pour wax mon xalaatam bi nga il ni ay nit ci ginnaawam tamit lañ mhm. il a parlé à mon avis mais pas seulement pour pour lui ou pour ceux qui étaient nu ñu mhm. au niveau du du du du palais de la République euh, dans la salle Bruno Diatta mais il a parlé pour ceux qui n'étaient pas encore qui n'étaient pas là il a parlé pour ceux qui ne veulent même pas euh, participer à ce dialogue à ce dialogue dafa wax ci peut-être askan wi nga xam ni mm-hmm. ñenn ñi jàpp nañu ni la wax et la preuve euh, pratiquement euh, ces propos bi mu mais tous les réseaux sociaux les réseaux sociaux plutôt fait les gens ont plus se sont mm-hmm. plus focalisés sur les propos de de de donc mm-hmm. un dialogue xam nga waxtaan bu pas forcément que ñëppay toog ci vois. Euh, yenn nit ci lu mais ça concerne tout le pays mhm. c'est-à-dire on est tous des Sénégalais que bokku dialogue dialogue il reste Sénégalais si on décide quelque chose concernant le Sénégal mais tant que tu es sénégalais et habitant résident au Sénégal mhm. mais les conséquences mu yu baax wala yu bon dafay parce que mhm. tu restes sénégalais donc euh, bon euh, l'essentiel c'est plus ñu

Euh, yéenekaay yi dal di xëy di tey xam ñu ne euh, professeur Songué Diouf professeur éminent en philosophie euh, dimbali na ndaw yi ni ki demb ci ab synthèse de philosophie bo xamantene def nako mmh. ci programme philosophie jamono ji nag nga xamantene ñu ngi wajal élection ñu ngi waajal euh, maanaam ah, hein. euh, examen de baccalauréat euh, kon mu jàppale ndaw yi mu nek nak 11e édition ba nga xamantene mu ngi koy def diko ko ndaw yi donc c'est quelque chose bo xamantene c'est important aussi mm-hmm. ñu koy dal di wax Amadou Ba teewe woon na ko moom jawrin yi di dal di encourager ndaw yi di leen di xam kon il est de tout cœur avec eux maay tamit daal di kon ñaanal ndaw yi ci li nga xam moy examen bi yalla may leen manam examen bac d'office plus mention loolu loolu da si baax. Mhm. merci professeur Songué Diouf. Mhm. Euh, ci wàllu tàggat yaram ak équipe nationale bu Sénégal ci laaj lañu samp léegi ndax Idrissa Gana Gueye ak euh, ki di di euh, Cheikhou Kouyaté amati nañu seen place ci équipe nationale bu Sénégal ku nekk nag mën naa indi xalaatam ci bile mbir waaye nag lenn moom am na mooy que ne Nampalys Mendy Pape Alassane Gueye Pathé Ciss Crépin Diatta Pape Makhtar Sarr ils sont des jeunes ay ndaw lañu. ak yeneen ñoo xamante ñu ngi ñëw ku ci mel ni Lamine Camara euh, ay ndaw lañ ñoo xamante ñu ngi fëgg buntu équipe nationale bu Sénégal ndax mag yi dinañ leen bàyyi ñu yegg si am déet. loolu nag oh, question bu am solo la ñu koy laaj laaj waaye nag nañu jàpp ne. Mm-hmm. mag nag ak lu mu mënti doon moom foofu mu des ak ngelaw bi. Ah, dañuy def seen temps aussi hein? Ah, mm-hmm. par exemple euh, si tu prends un Khalilou Fadiga y a pas eu meilleur. Euh, surtout ci nationale du Sénégal mais il a fait son temps de forum Euh, Henri Camara <laughs> pas poste football mais il faisait feu et flamme mais dès un moment bon moment ma. madame hein, <laughs> mhm. mhm. mhm. donc c'est c'est tout à fait normal. Bon, la vie continue. Euh, maintenant, la qualité important c'est plus pour la formation parce que les gens n'y ñii pas hein, ils ont fait une bonne formation ci ay écoles yoo xam ne fii école de football fii ci Sénégal euh, moo tax ñu football. Euh, en fait en sport surtout dans le football sport de manière générale ça, mhm. ci basage à ngay que pour mener am après ay performances sur un mhm. ne c'est valable pour le handball, c'est voilà pour le volet, c'est voilà pour le, football de manière générale. Et on a vu euh,